Hier seulement, je crois, le bureau de l'Assemblée s'est prononcé pour déclarer irrecevable cette proposition de loi saugrenue, proposition de loi insolite, étrange. Mais vous savez, le ridicule ne tue point. Namatargué et compagnie le regroupement des chemins religieux. Le regroupement des chemins religieux. Le regroupement des chemins religieux. Avec l'association. Avec l'association avec l'association des l'association des escrocs religieux, les chemins religieux, avec les escrocs religieux, avec certains imams escrocs, menteurs, malhonnêtes, truands, des imams, je dis entre qui sont dans certaines télévisions pour raconter leur vie alors qu'ils sont que des faussaires, des gens malhonnêtes et mal intentionnés, et d'autres qui sont des, entre guillemets, des djihadistes, des terroristes. Je pèse bien mes mots, des terroristes, des terroristes, des djihadistes. J'ai même vu dans le groupe quelqu'un qui a été arrêté pour terrorisme qui est resté quelques années en prison et qui a eu la chance de rentrer chez lui. Après énormément de pression, j'ai vu parmi eux des gens qui ne veulent que l'instauration d'un État islamique au Sénégal. Des gens qui veulent une république islamique avec des députés en mal de popularité, des députés qui n'ont aucune base. <laughs> Regardez mon doigt. Des députés qui accompagnent ces activistes religieux, qui ne sont rien qui n'ont rien de religieux et qui ne sont point des religieux, mais des escrocs religieux qui font le tour des dignitaires religieux, des notabilités religieuses. Ils vont voir

sëñ bay ci masu ah sama xarit ñu ñëw dëgg borom ci waaw na ngoog ma ngi koy nuyu yàlla na fi yàgg te wér sama xarit sëri may Niass sama frère ñu bokk ak nangaan bokku dëkk du doomu Baye Niass waa waa Laayeen yi ak Seydina Isa Laay waa Kouta Ndiassane waa jàng bi yéen lay waxal depuis 1965 en 1966 dañ ko tabax liggéey ko ne Il ku def yéen góor jigéen yoon dina tas la yu metti dañ la tej duma la président Macky Sall ci bu fi Barack Obama ñëwee ni ko danaa bëgg président nga daganal say góor a góor jigéen jigéen man nga daganal ngóor jigéen Macky Sall ni ko ba bi ma fiy jógee ba ma fiy jógee tant maa fi nekk président loolu mënu ma la koo may loolu mënul nekk Ça n'aura jamais lieu. Le Sénégal ne va jamais légaliser l'homosexualité. Le Sénégal est profondément religieux. Et les vertus cardinales de notre peuple ne nous permettent point de légiférer dans ce sens, de légaliser l'homosexualité, de la dépénaliser. Non, a dit le chef de l'État. Non, a dit notre auguste Assemblée nationale. Félicitations à mon cher ami, juriste, maître d'Ibrouard, le député africain, honorable député sénégalais. Merci pour ce travail remarquable que vous avez fait au sein de l'hémicycle pour rejeter cette proposition insolite de criminalisation criminalisation de l'homosexualité mais daf leen liggéey te Mame Malick doy na